C'est l'autre star du procès des événements du 28 septembre qui se tient actuellement en Guinée. Engagé pour défendre Toumba Diakité, Maître Polion Bakuruma est sans doute l'un des avocats le plus célèbres du moment à cause des gros mots en français qu'il lâche à chaque occasion. Il était le deuxième invité de Marc de l'AG La fidi ce dimanche, 20 novembre, à Matotopea. Comme ses prédécesseurs qui se sont prêtés aux questions du public lors de leur passage à cette rencontre de la Guinée de demain, L'avocat a parlé de son parcours scolaire. Je viens de l'école villageoise. D'un père et d'une mère qui n'ont pas connu le chemin de l'école. En dépit de son brillant parcours, le transcendantal, comme on l'appelle, reconnaît avoir été fatigué à l'école par les sciences exactes. Et que, jusque-là, il n'arrive pas à s'en sortir. Banéo 1. Les sciences exactes, je ne m'employais que pour avoir la moyenne. Même le téléphone, je ne sais pas le manier jusqu'à maintenant, même les messages, on vient de me les apprendre. Donc, c'est un villageois qui vient en ville et qui cherche à être dompté par vous, les jeunes. A-t-il laissé entendre Avocat aguerri, d'un parcours qui force l'admiration, Maître Paul ne souhaite pas divorcer de ce métier qu'il exerce depuis plusieurs années. J'ai opté pour la profession libérale, l'avocature que j'accepte comme un sacerdoce et pour lequel je m'efforce à livrer les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, je m'emploie et je tente de vivre l'avocat dans l'âme, n'espère plus rien d'autre que ça. Je veux vraiment vieillir et mourir en avocat.